incontournable, relais indispensable entre Dakar et le pays profond, prend forme la nouvelle ville qui donnera un souffle nouveau à notre capitale et au Sénégal de nos ambitions. Déjà, sur ce même site, nous sommes en train de finaliser un centre futuriste de conférences internationales. Aujourd'hui, et dans la même vision d'un aménagement rationnel du terroir, nous posons un autre jalon, une autre pierre angulaire, j'allais dire, du Sénégal, du Sénégal de nos rêves, un Sénégal nouveau, ancré dans ses valeurs traditionnelles et ouvert à la modernité. Le pôle urbain de Diamniadio répond à la vocation première du plan Sénégal émergent. Il s'agit de stimuler la croissance par les infrastructures qui seront édifiées ici, de générer des milliers d'emplois par les travaux à réaliser, est de favoriser un développement social, solidaire et inclusif par l'accès à l'habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays. Monsieur le délégué au pôle urbain de Djamnadjo et les différents développeurs, promoteurs que je salue, à savoir le groupe Alliance, le groupe Dozi, Telium, le groupe Jetran et Seninja. Je voudrais saluer leur engagement et leur volontarisme de poser cet acte majeur avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la vision que j'ai tracée pour l'émergence de ce nouveau Djamnyadji les différents promoteurs qui nous accompagnent dans cette grande œuvre viennent de décliner sous vos yeux les différentes composantes du projet. Monsieur le délégué et chers partenaires, je voudrais vous féliciter et surtout saluer votre engagement déterminé. Je me réjouis fortement de la jonction de nos efforts. État, secteur privé national, secteur privé étranger, dans un esprit de partenariat au service d'une vision intégrée et multidimensionnelle de l'habitat pour tous. C'est cela aussi le plan Sénégal émergent. Nous le savons, mes chers compatriotes, de par sa configuration géographique et de la spéculation foncière effrénée, Dakar et ses environs immédiats étouffent. Le coût du loyer y est devenu insupportable, non seulement pour les couches sociales à revenus modestes, mais également pour les classes moyennes. Je pense à tous ces pères de famille, à tous ces pères et mères de famille angoissés par des fins de mois difficiles lorsqu'arrive l'échéance de faire face à leurs obligations de locataires. Je pense aux travailleurs du secteur informel comme ceux du secteur formel qui trouvent difficilement à se loger malgré des années de labeur et d'économie. Je pense aux célibataires qui rêvent d'une vie de couple et aux jeunes couples qui se préparent à une vie de famille. Je pense à nos braves compatriotes de la diaspora. Tous aspirent à un logement digne dans un cadre de vie décent. Je n'oublie pas non plus les bailleurs qui payent de plus en plus cher le foncier et les autres facteurs de l'immobilier, ce qui rend plus difficile la rentabilité de leur investissement. Il nous faut donc, mesdames et messieurs, par une approche novatrice, trouver un nouveau point d'équilibre, conciliant les intérêts des uns aux préoccupations des autres. Voilà ce qui fonde la réponse que je veux traduire dans cette nouvelle vision de l'habitat, dont le pôle urbain de Diamniadio constitue une phase pilote. Diamniadio n'est donc pas une ligne d'arrivée, mais le point de départ d'une dynamique dont l'objectif est d'étendre l'offre de logement à chacune de nos grandes agglomérations. Ici, à Diamnadio, alors j'ai des problèmes avec le vent, vous comprenez ma difficulté. Ici, à Diamnadio, seront réalisés à terme 40 000 logements de toutes les catégories. Habitat social, moyen, standing et haut de gamme dans l'esprit d'une mixité harmonieuse. Sur ces 40 000 logements qui composent le programme, 15 000 logements seront réalisés dans les trois prochaines années. Grâce à un partenariat public-privé intelligent et novateur, les logements du pôle urbain de Diamniadio pourront être acquis moyennant une mensualité déterminée sur une durée de 15 à 20 ans, voire 25 ans selon le cas. De plus, aucun apport initial ne sera exigé pour le logement social. C'est un contrat que j'ai avec le directeur général de la BHS. Des mécanismes rigoureux seront établis pour assurer la transparence et l'égalité des chances dans l'accès de ces logements. D'autres facilités seront également prévues sur le site, notamment des infrastructures pour les services sociaux comme l'éducation et la santé, des lieux de culte, des centres commerciaux, des hôtels et une zone réservée aux missions diplomatiques et aux services administratifs pour délocaliser certains ministères. En définitive, en augmentant l'offre de logements, le nouveau pôle urbain de Djamnadio devrait ainsi contribuer à réduire davantage le coût du loyer. Et réduire le coût du loyer, c'est réduire le coût de la vie et la précarité sociale. Il nous faut donc, chers compatriotes, en même temps œuvrer à une occupation plus rationnelle de l'espace, compte tenu du potentiel foncier limité de la région de Dakar. Nous devons en effet de plus en plus construire en hauteur et nous accommoder de la vie en appartement. C'est pourquoi des espaces communautaires seront aménagés ici pour abriter des événements familiaux et socio-culturels. Oui, mes chers compatriotes, l'exigence de modernité et nos limites foncières commandent que nous prenions de la hauteur à l'image de, plus d'une vingtaine de tours à 10 étages, chacune qui seront érigées très bientôt sur le site de pompiers dans le cadre du projet de la Cité de l'émergence. Et dès ce mois de juin, je procéderai au lancement de ce nouveau projet qui sera constitué de bureaux et de logements de différents standings, en plus naturellement du projet pôle urbain de Djamnadio. Prendre de la hauteur, oui, mais aussi aller plus vite en accélérant la cadence. C'est l'objet du projet d'autoroute que vous voyez qui se poursuit sur l'aéroport international AIBD. Mais c'est aussi le démarrage je l'espère avant la fin de l'année 2014, de l'autoroute thiès touba thiès tivaon pour un investissement de 400 milliards de francs CFA que j'espère lancer avant la fin de l'année. Mes chers compatriotes, par ce rendez-vous autour de l'habitat, sur ce site symbolique de Djamnyadjo, nous prenons date dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le Sénégal émergent est en marche. Il est à notre portée. Comme dans sa conception minutieuse, par des cadres sénégalais compétents et dévoués, nous le réaliserons par nos propres efforts dans un esprit rigoureux de méthode et de travail. Le Sénégal émergent, c'est notre réponse à nos problèmes concrets par des actes concrets. Avec vous, avec toutes les forces vives soucieuse du devenir et de la prospérité de la nation sénégalaise, je suis plus que jamais dans le temps de l'action pour œuvrer à la réalisation de notre grand dessein. Ensemble, la main dans la main, nous y parviendrons. Ici commence l'émergence, et l'émergence, c'est maintenant. bokk Sénégal ginnaaw bu ma leen nuyoo kenn ku nekk ci turam ak santam tey jii ñëw naa fii ci Diamniadio nga xam ne mooy croisement bi lëkkale Ndakaaru ak réew mi Diamniadio nag dañu am yéene ci Sénégal ngir tabax fi dëkkuwaay yu bees def fi lépp loo xam ne dana màndargaal dëkk bu jëm kanam looloo waral ba ma taxawalee délégation bi nga xam ne moom lañu ñu tuddee pôle urbain ñu dënk ko Seydou ci sal gouvernement bi liggéey ci sama ndigal ñu woo ay partenaires étrangers ak nationaux woo secteur privé defar ay xalaat tambali si li nga xam nguur gi moko mom muy centre international d'échange bi nga xamné bo len xolé ci walu wële di ngeen gis né liggéey bi sore na lool bi ñu paree ñu prolonger autoroute bi. war a tabax ay tali yu bees génnee ay tuyaux def canalisation woote nag secteur privé secteur privé bi tontu ñu waa Sénégal ñu ngi ci biir waa Maroc ñu ngi ci biir waa Inde ñu ngi ci biir ak doomu Sénégal yu nekk ba Dubaï doomu Sénégal yu newoon Afrique centrale ñëw dugal seen loxo. muy ay compagnie yoo xam ne ñoom dañu tàmbali def seen loxo seen poche ngir tàmbali logement yi nga xam ne moom la ñu wane fii lii ñu wane du rek ay film yoo xam ne film nax saay la lu nit di teg bët la ndax ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga war ko gëm yaakaar naa ne fukki weer ak ñaar ci ginnaaw ku ñu ne woon centre de conférence bi daañ ko def nga xam ne ci Afrique sowu jant du am bu mel ni moom ñi nga xam ne seen ngëm-ngëm bariwul mënoon nañ ko weddi waaye nag weddi gis bokk si lii ñu sumb fii ci Diamniadio sumb la boo xam ne liggéey moo ko lal liggéey nag dafa àndul ak wax motax dama né gouvernement bi nañu continuer effort yi ñuy def continuer cadence bi ñuy liggéeyee di wuyu aux appels du secteur privé nekk au service des populations loolu mooy li am solo madame le premier ministre loolu laa leen sant santuma kenn xuloo santuma kenn bàyyi leen ñu xuloo xuloo liggéey leen continuer à délivrer les chantiers loolu mooy li am solo li des yeux, poussière la poussière poussière bu dem Poussière, poussière poussière du dara poussière nak dang koy baye mu jall. te nga farlu ngeen farlu ci programme bi nga xamné nous aurons une offre de 40 000 logements Ñen fukki junni logements suñ leen waxee ne daañu ko def war ngeen xam ne ko def parce que man duma ma engagé wu si luma ma maîtriser wul lépp lu may wax rek fekk na ma xool ko ba pare ndax mën na nekk wala mënul nekk inshallah grâce à l'engagement des développeurs ndax ñom dañuy andi sen wàll ñun déjà amna na lu ñu def population yi bëgg logement dañu bindu ji soit ci banques yi les banques privées ñu ngi fi toog les banques commerciales la banque de l'habitat mu ngi fi toog promoteur yaa ngi fi kon ñi nga xam ne ay ndaw lañu tey tey doog a tàmbali liggéey war nañ mën am ci appartement yi am ci kër yi sans apport personnel ñi nga xam ne it ay liggéeykat lañu te sen at am na mu demee ñooñu tam wutal nañ leen ni ñu war a ci kër yi te du nekk ngaañ waaye amna tam ñinga nga soxla nañu logement de standing ñooñu tam fu seen doole toll dañu am logement bu ñu toll euh, bu lolu wesso itam décidé na andi ministère ñu génnee yenn say ministère dakaru andi ko fi ci jamnaajo pour que ñu def délocalisation andi ay banque andi ay centres commerciaux ndax dëkk faaw mu am ay mandarga indi ay jàkk ay juma église lépp loo xam ni doomu aadama dana ko solowoo loolu mooy li nga xam ne ci wàllu habitat muy dëkkuwaay bokk na ci jalon bi ñu njëkk a posé ci programme Sénégal émergent ndax dëkkuwaay yi xam ngeen ni li tabax kër yi main d'œuvre la maanaam liggéey la li koy entretenir liggéey la te japp nañu ne si diiru ñetti at yi fukki junni logement ak juróom danañ ko taxawal fii si Diamniadio yaakaar nañ si juróom-ñaar fukki junni ak juróom ci liggéey direct li ñuy wax emploi direct waxuma emploi indirect yoo xam ne daañu mën a am xëy fii si différents chantier yi fi nekk kon nag maa ngi sant développeur yooyu di promoteur yi ma lim fii il je que nous Sénégal di invité tam les promoteur immobilier waxuma kuy de fii duñ jox kenn suuf ngay spéculer ko def rek ñu la de ñu taper yi aura pas de spéculation mais comme kuy promoteur boo nga di nga ko liggéey boo ñëwee ñu jox la suuf gratuitement kenn du fi jaay benn mètre carré suuf parce que dañ ko def pour le Sénégal loolu nag mbokk yi mooy li nga xam ni mooy li ñu tàmbali tey fii ci lak maanaam ci Diamniadio xam naa suñu mbokk Diamniadio moom bu ci kanamee Sénégal yëpp daañu bëgg a ñëw dëkk ci jam ah kon nag. li ko xale bu ndaw bi waxee ci gëntam jàpp na ne fii ak at a ah, dëkk Diamniadio dina gën a neex dëkk Ndakaaru walla dëkk Fatick kon nag yal nañu yàlla may ñu mottali kattan ak yéene yi mottali ko ci anam yu gën a rafet te ñu jublu ci liggéey yàlla mottali yéene yëpp secteur privé bi ñu jàppale ko banque yi ñu jàppale leen ñoom itam.

waxtana ak banque de l'habitat pour ñu wut ay ligne de crédit FONGIP aussi ñu wut ay ligne de garantie pour que promoteur itam bu ñu liggéeyee ñu mën leen fay su ko defee ñoom ñu mën a xool yan schéma la ñuy am ak waa diaspora yan schéma la ñuy am ak ouvrier yi yan schéma la ñuy am ak artisan yi yan schéma la ñuy am avec les jeunes travailleurs pour que le logement soit la chose la mieux partagée au Sénégal l'ambition que j'ai pour ce pôle urbain de Diamniadio en attendant le pôle urbain de Lagros, mais aussi de Dago et de tous les autres pôles urbains Il y a le ministre de l'urbanisme ci boppam mu ci promoteur Mangilendi sant Voilà, Amadou Aramkam, euh, nous avons fini d'accorder une attention particulière à ce discours euh, du chef de l'État, discours important sur lequel euh, il est revenu sur différents aspects de ce port urbain de Damnando.